Aminata Gueye se prépare. Merci beaucoup, Président. Mes salutations à Monsieur le ministre de l'Intérieur, des Finances, du Travail, vos collaborateurs, mes chers collègues députés. Parmi vos collaborateurs, Monsieur le ministre, j'en cite l'adage, M. Maudou Monsieur Mahamka. Monsieur le ministre, nous vous félicitons pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire à la tête de ce ministère. Son Excellence le Président de la République am yaakaar ci yow Je rends un grand hommage aux hommes de tenue, aux femmes braves, surtout les femmes qui sont dans les zones reculées. Monsieur le ministre, nous allons citer les réalisations du président de la République quelques règles lañ gis les commissariats au niveau national les camps sapeurs pompiers la lutte que vous êtes en train de faire pendant les inondations chaque semaine les saisies de drogue que vous faites la lutte contre les faux billets monsieur le ministre le fait que le président de la république délégué l'agence de sécurité et de proximité en ministère l'importance que le président de la république accorde à la sécurité des personnes et des biens Maintenant, on a vu beaucoup d'avancées sur les vols de bétail, mais il faut bien accélérer. Monsieur le ministre, nous remercions le président de la République pour le commissariat récent qu'on a inauguré à Linger, le camp sapeur-pompier qui est à Linger. Nous habitons une zone silvopastorale, donc on a besoin de notre cancer sapeur-pompier à et Monsieur le ministre, et Djolof est son grand marché hebdomadaire le luma international. Mettons les moyens de sécurité à Dara. On a besoin d'un commissariat de police. Monsieur le ministre, il faut renforcer le matériel aux brigades de gendarmerie et le personnel au niveau des brigades qui sont dans le département de Linguerre. Monsieur le ministre, le Djolof, la régionalisation du Djolof, une doléance des Djolof Djolof. Monsieur le ministre, la superficie du département de Linguerre, est plus grande que la région de Thiès. On a 19 communes. Deux grandes villes, deux grandes communes qu'on considère comme des villes. On a des villes saintes. Bon, Monsieur le ministre, le bassin arachidier, c'est Kaulak. Mais le département de l'Inger est la zone pastorale. Donc, monsieur le ministre, et ça existe que de nom le département de Linguère c'est une zone sylvopastorale mais nag ci tout rek la monsieur le ministre il faut irriguer le département de l'Inger en région on en a besoin les Djolof Djolof dañ ko soxla defal leen ñu jolof région defal leen ñu jolof région soxla nañu ko parce que tay ku xol Djolof bu ñëk lu mu daan signifier on parlait du royaume Djolof mu bari lu mu ëmboon ci Sénégal gi kon tay soxla nañu ñu def ñu région def leen ñu région monsieur le ministre monsieur le ministre l'orage de Dolly la président de la république en a injecté des milliards foofu rek war naa mën a tax ñu def Jolof région ndax yaakaar naa ne tey bu fekkee ne ay infrastructure rek la am nañ fu ñu ko def ndax ku xool range bi la fa président def ku xool la fa injecté mënuñu koo fay son excellence le président de la république ndax dafa jëmal Jolof xam na Jolof cette ville cette zone sylvopastorale mu am monsieur le ministre à quand la révision des listes électorales pour les personnes qui veulent voter en 2024 monsieur le ministre la carte d'identité c'est un document essentiel pour les citoyens on a noté des efforts que vous avez faits mais continuez la décentralisation monsieur le ministre au moins chaque capitale régionale doit avoir un centre de production de passeports pour éviter les déplacements vers Dakar. En ce qui concerne le parrainage, est-ce qu'il y a des concertations qui sont prévues Si oui, quand, Monsieur le ministre Monsieur le ministre, en collaboration avec le ministre des Transports, il faudrait renforcer la sécurité routière. Monsieur le ministre, il faut sécuriser le département de Linguerre une zone silvopastorale où il y a le vol de bétail Dara, une ville économique le grand marché hebdomadaire soxla nañu monsieur le ministre un commissariat dans la commune de Dara. merci beaucoup et la régionalisation du Jolof merci. Merci, chers collègues. La parole à Aminata Gueye Samba Dang se prépare.